nigérienne, nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et... L'art est au début et à la fin de tout développement. L'artiste s'exprime est une rubrique de l'émission Tous à la Fada, une émission produite par le studio Kalango, conçue par des jeunes et pour des jeunes. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre les samedis et dimanches sur le site du studio Kalangu, vous savez déjà que nous avons l'habitude de recevoir des artistes, chanteurs, peintres, cinéastes, comédiens. L'art dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et ceux qui le pratiquent. Aujourd'hui, c'est du tout renu que nous allons recevoir sur cette émission Entre Griffes. Un acteur culturel qui se donne à fond de jour comme de nuit pour faire euh, ressortir les couleurs nationales à travers l'art et ceux qui le pratiquent. Un blogueur, un influenceur. Nous recevons sur l'émission Tous à la Fada au jour d'aujourd'hui, les 10 ans de gentlemen, Niger culture, fraternité, travail, progrès. Alors mon frère, comment tu vas Je vais bien, je vais bien. Dis-moi que tu te la forme, s'il te plaît. Oui. tu te la forme Aïe, Kingana Kyo. Respect en à toi, big up à toi. Et nous sommes ensemble, comme on dit, sur cette émission pour parler au maximum de la culture, mais du Niger, pour parler un peu de ce que tu fais pour parler un peu du contenu de ta page dans un deuxième angle. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire samedi, nous allons parler de l'homme en question. Moi, je t'ai appelé par Niger Culture parce que je sais que tu aimes la culture. Je sais que tu aimes le Niger. Je sais que tu aimes l'orange, le blanc, le vert avec le disque au milieu qui représente vaillamment le soleil. Je sais que tu aimes la nation. Parce que tu aimes la nation, tu fais pour la culture. Et tu te dis que par la culture, on peut faire avancer les choses. On peut faire ressortir les couleurs nationales. Je vous demande, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de regarder cette émission, hein, même les humains qui sont de l'autre côté, les humains, je vous demande de lui faire un maximum de bruit un maximum de clap. Ouais, bien sûr. C'est dit tout simplement bravo. Alors, parlons de l'homme à l'état civil. Et l'homme à l'état civil, pour confirmer ce que le Tout-Puissant, le Grand, Dondi, qui fait la promotion des jeunes. Je vais commencer par lui parce que grâce à lui, on arrive à révéler le potentiel qui existe en nous, les jeunes. Au Niger, c'est plus de 60%, 70% de jeunes. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Le Niger est jeune. Le Niger est jeune. Tout à fait. L'émission est consacrée à, à la plein d'avenir. La jeunesse, nous gardons espoir. Bien sûr. Comme il a dit, le patriotisme, tous les Nigériens sont patriotes. Je reste humble. Bien <laughs> sûr. Le Niger, c'est la fraternité, le travail, le progrès. Bien sûr. C'est vrai, c'est Niger Culture, tout le monde le dit parce qu'on voit en moi le patriote, mhm. mais sur la page c'est Culture Niger. Culture Niger. Culture Niger, Niger Culture, ça passe, mais c'est Culture Niger sur la page. Tout simplement. Donc du coup on va parler de Culture Niger en deuxième partie. En deuxième partie. Maintenant parlons de moi. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle À l'état civil, je m'appelle Malam. Malam. J'aime pas le Malam parce que je suis un Almagiri. Je ok, d'accord. Malam, c'est le nom tu vas. C'est le nom euh, qu'on m'a donné. Donc à l'état civil, je m'appelle Malam Ajwaziri Ça, c'est mon nom. Malam Ajouaziri. Ça, c'est mon nom. Ok. Et le prénom, c'est Katzelma Omar El Hajtaya. Katzelma Omar El Hajtaya. Voilà. Ok. Donc la famille El Hajtaya. La famille El Hajtaya. Mais guda bayeza jinga baro ta bar shi kai Da goboro da da da da da da da da da da les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts le Niger demeure c'est en fonction de ses intérêts c'est ces intérêts que nous devrons tous agir alors il continue ce que Taya a commencé. Et sur cette émission, nous rendons donc hommage à Al-Hajj Taya. La mort n'est pas un échec définitif à la vie. On peut mourir physiquement et continuer à vivre à travers ses œuvres. Al-Hajj Taya, il vit par sa voix. Alors, l'amour de la culture, d'où tu viens et donc, euh, comme vous l'avez dit, l'homme doit se définir. Mhm. Déjà, pour commencer, Malam Aj c'est un almagiri, quelqu'un qui a lu le Coran. Mhm. Donc je suis toujours en train d'apprendre le Coran. Mhm. Et mis à part cela, j'enseigne à l'université mhm. depuis 2015. Et aussi, c'est le droit commercial aux étudiants de la licence. Et mis à part cela, je suis commissaire-priseur, commissaire de justice, huissier de justice. Parce que juste hier, avant notre rencontre, j'étais à une réunion au ah. tribunal de grande instance. Ils, ils ne savent pas certainement les jeunes qui te suivent. Je suis sûr et certain que Moustapha de l'autre côté, qui te suit, qui nous dit à travers, bien évidemment, ta page Hamon de voilà. Il ne le sait pas, c'est sûr qu'il ne le sait pas. Il le sait pas parce commissaire plusieurs, enseignant à l'université, donc, et quoi encore, quoi d'autre président, président, de l'association pour sauvegarder la culture au Niger, président, de l'association Sauvons la culture au Niger. Sauvons la culture au Niger. Il est aussi, n'est-ce pas, président, mesdames et messieurs. Donc, Aran Kangoul, a, a, a, a, sur la page J'espère que Arangodou est information qu'Arangba un euh, espace sur l'homme. Parce que eh, Mbosso et eh, voyant découvrir l'homme a plusieurs casquettes, mesdames et messieurs. Et quoi d'autre Enfin, il faut aussi dire que je suis célibataire. Célibataire Jeune célibataire. Je ne le sais pas aussi. <laughs> il est célibataire. Voilà. <laughs> Alors, pourquoi l'amour de la culture Explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené dans enfin, Pour parler de culture, euh, c'est assez simple. Hein. Et pour quelqu'un qui a un un grand-père du nom de Alaj Taya. Bien sûr. Pour quelqu'un qui a un père, c'est-à-dire mon oncle que vous connaissez, son vrai nom c'est Inusame Manga. Ok. Manga comme Manga Umara. Bien sûr. Parce que c'est la même famille. C'est la même famille. Et donc, Alaj Taya, c'est notre nom de famille. Ok. Et aussi pour quelqu'un qui a comme père. Mhm. Le Cazel qui a fait ce journal, Le Cazel, mhm. qui est aussi un artiste plasticien, le premier peintre du Niger à exposer en Chine, aux États-Unis, à Londres, un peu partout dans le monde. Donc, euh, le premier à initier le Tachar Fakarei à Télé Sahel, c'est Et eh, Tu as initié là tout de suite, il fallait me le dire. Hein. Il fallait commencer par là. <laughs> Vas-y, continue, continue. Et donc, c'est pour vous dire que c'est le premier aussi qui a fait venir Cheikh Anta Diop, Baba Kake, Ampateba, uh-huh. qui, a fait, qui a instauré le débat scientifique. Uh-huh. Le premier qui a eu à faire le showbiz à travers Kassab, qui l'a amené, Orlis Mabele, Oumu Sangere. Wow. Et qui, il y a beaucoup de choses. Et à la mort de du grand artiste. Ok. Le français que vous connaissez. Ok. Notre Casanova. Je ne sais pas si tu te rappelles. l'idée. La seule personne qu'on a interviewée au Niger, c'est Monsieur Kazé. Ton papa. C'était les initiateurs. Tout simplement. Waouh! Moi, tu, m'as as, tu, as tout dit, je pense en quelques fractions déjà des secondes, eh, je, je, sais que le Niger entier ou les jeunes qui regardent cette émission qui suivent, à partir de cet instant, ils savent déjà qui tu es. Franchement. Et moi, je te dis chapeau, je te dis en tout cas, merci pour tout ce que tu fais euh, déjà euh, pour euh, la culture nigérienne. Nous sommes donc à la fin. C'était une petite présentation pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de te cerner, de me cerner de te comprendre. Hein, il y a la passion, il y a la vocation. Donc ah de formation, je suis juriste comme juriste, envie. Bien sûr. Et ma vocation, c'est ça, c'est l'art, la culture. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est ma passion. Comme toi, grand frère. Parce que lui, c'est c'est, ce sont nos aînés. Je pense à Fenobi, à Omar Salifou. Je suis aussi juriste de formation. J'ai un master de, de l'université Abdelmoumouni de Niamey. Machallah. En carré judiciaire. Donc tu vois. Donc, euh, du coup, euh, droit des affaires. Je suis comme toi. moi, je euh, suis aussi comme lui. et J'ai fait le droit des affaires au Maroc et après j'ai fait un diplôme de spécialisation. On est tous passionnés de la culture à Grenoble et ensuite j'ai fini avec le droit de l'Internet en Belgique. Mais bon, on est tous passionnés de on est tous passionnés de la culture. Puisque nous sommes passionnés de la culture, ok d'accord Kazel, on va bien évidemment euh, permettre aux jeunes euh, donc de s'inspirer un peu de toi. Ok, on veut un mot frère, de non, non, de toi, tu vois. On veut un mot, un mot de fin, un mot pour dire aux jeunes, n'est-ce pas, d'y croire, la culture on peut et on peut faire aussi euh, connaître un pays par la culture, par sa culture. Sans culture, tu n'as plus d'identité. La culture, c'est l'identité, n'est-ce pas, d'une nation. Alors, nous avons nos identités. Mhm. Tu parles de beaucoup de choses. On va parler de ça dans un deuxième angle, de tout ce qui est avoir, de tout ce qui est, et de tout ce qu'on doit manger, ok, de tout ce que tu fais sur ta page dans un deuxième angle. Maintenant, l'instant est solennel. Mhm. regarde Regarde tonton, regarde papa. Je le... Oh, ok, papa, certainement, il te regarde. Regarde les jeunes qui te regardent sur cette émission. Fixe bien la caméra. Alors adresse-toi à toute la nation, la nation entière, pour leur dire qu'on doit croire à la culture. Et moi, je vous dis une chose, la culture, c'est l'âme d'un pays. Un pays, c'est-à-dire un peuple sans culture, c'est comme si c'était un pays sans âme. On doit y croire. Pourquoi Parce que la culture définit d'où nous venons et où nous allons. Et pour ça, je tiens à remercier et à féliciter Studio Kalangu. Parce que le choix du nom Kalangu n'est pas fortuit, il n'est pas anodin. Ce n'est pas un fait du hasard. Kalangu, c'est tout un angle de la culture nigérienne. Merci à Studio Kalangu. Et j'espère que les jeunes seront culturels. Vous voyez, le grand frère est habillé culturellement et moi aussi culturellement. Prochainement, vous allez le voir avec son, son Parce que voilà, c'est le Niger qui gagne. Pourquoi Aujourd'hui, quand tu portes le tagia, tu affirmes d'où tu viens, d'où son authenticité. Donc, soyons comme les révolutionnaires. Je pense à Sekou Touré, je pense à Sankara. Sankara, quand il voyage, et actuellement, même le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, c'est un ambassadeur du Faso d'Anfani, un ambassadeur de la culture africaine. Donc c'est un peu ça. La culture, c'est notre identité et on peut développer le Niger à travers la culture. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent à la politique. Mes amis, attention, la politique est assez touchy. La politique divise au moment où la culture va nous réunir. Je suis à l'image de l'artiste et le studio Kalangu est au rythme du Niger.